Après plusieurs jours de recherche et d'investigation, l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants vient une fois de plus de démanteler un vaste réseau de trafic international de drogue à haut risque dans la ville de Niamey. Et cela seulement deux semaines après le démantèlement de deux réseaux. Après plusieurs jours de surveillance des activités et du comportement du, du réseau à caractère transnational, les agents de l'OCRITIS ont pu intercepter et saisir le samedi passé à la zone industrielle de Niamey 245 kg de cannabis à bord d'un camion immatriculé à l'étranger en provenance d'un pays de la sous-région. Comme mode opératoire, la drogue était soigneusement dissimulée sous la semi-remorque à une place spécialement aménagée et confondue à la structure du camion afin d'échapper à la vigilance des forces de sécurité au cours des contrôles sur le trajet. Ce qui a permis à la drogue de traverser trois pays avant d'être saisie à Niamey. L'essentiel de la drogue saisie est destiné à alimenter la demande locale à Niamey et dans les autres régions du pays. Sept individus impliqués ont été interpellés, dont trois de nationalité nigérienne et quatre étrangers. Deux véhicules, une moto et la somme de 2 254 550 francs ont été saisis également. Cette importante saisie démontre une fois de plus la persistance d'un trafic de drogue structuré ayant des ramifications dans plusieurs pays de la sous-région. L'Ocritis réitère son appel à la population pour plus de collaboration avec les forces de défense et de sécurité et se félicite de l'engagement des différents commandements ainsi que du soutien de ses partenaires dans la lutte contre ce trafic.